L'Académie des sciences, donc comme son nom l'indique, va embrasser tous les champs thématiques, toutes les disciplines. Le plus important étant que l'option qui sera prise par euh, l'Académie des sciences ou les animateurs de l'Académie des sciences, ça serait à travers leurs réflexions apporter des contributions en termes d'appui-conseil aux structures publiques, aux pouvoirs publics, aux structures privées, à la société, de façon à ce qu'on sente la place qui devait revenir à la science dans le développement national. Euh, sa contribution euh, dans les champs disciplinaires euh, scientifiques ou dans le cadre de l'élaboration ou de la conception des politiques publiques dans le domaine scientifique, ça sera d'une grande portée. Naturellement, ça va changer quelque chose dans le quotidien des Nigériens. il est important en tout cas qu'on sache que la recherche, la science sont les moteurs de développement.